On a eh, remarqué certaines pratiques qui se font ici à Kony et cela ne fait qu'augmenter. Ce phénomène, c'est celui de la chicha. Il faut voir, avant, cela ne se pratiquait que dans quelques endroits ou deux. Maintenant, c'est très difficile de passer dans une rue sans voir des jeunes autour de la chicha. C'est parce que nous avons remarqué que ce euh, phénomène prend de l'ampleur chez les jeunes. Donc, c'est pour cela qu'on s'est dit qu'il faut rapidement prendre des mesures contre cela. Voilà pourquoi nous avons sorti cet arrêté, selon lequel, à partir de maintenant, tous les chicha clubs de Kony seront fermés. La vente et la consommation aussi est interdite ici à Kony. Et tout celui qui en surprend en train de fumer ou vendre de la chicha, que ce soit dans les quartiers ou dans sa propre maison, sera arrêté et subira les sanctions qui sont prévues à cet effet. same ka kana shanta duk za mu sa jami'an tsaro su kamo ka kuma akwai hukunci wanda mun kai tanadi akan wudu waɗanda aka kamo